Tongue le bon dit, ma santa fondu. Papa, papa, papa, papa, papa, ton lune Hawaii. Ya original Jawan sur le microphone, Bobby this man and Dandy Lutz man on top. that this Boyaka. Ya Hey, Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada. Fada. Jawan s'exprime. Vous vous rappelez certainement de l'artiste. On l'a reçu hier sur l'émission Franco Aoussa. Nous avions parlé du parcours en question du combattant sur ce angle. Aujourd'hui, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler de Jawan, sa carrière solo, ses œuvres artistiques. Pour cela, nous ne sommes pas qu'avec Jawan. Nous sommes aussi avec le big manager. Manager, je te souhaite la bienvenue. Tu vas bien Ça va très bien. Tu es trop haut. Merci beaucoup. Eh, tu vois, moralisateur l'a dit, il aime trop ton style. Merci beaucoup. Tu n'es pas hip-hop sur cette émission, mais nous, on est hip-hop. <laughs> Et normal, assez que le manager soit comme ça, c'est lui qui négocie les contrats bin kadda vestment vestana igo chinse siba hanganis zaman ga bo ku ganga musura hau kan ga kwayo mada dara dara da no dinka ga kai bora ga ba duka su ga sa ga ba no karda mais pourtant kwara ka dara mo ko en da ils m'ont femme no mais ils finiront par comprendre ils vont finir par comprendre et eh, peut-être qu'ils comprendront très tard ce que nous avons compris très tôt pour que kamal pompi kain fo tout ça la fa d'abord kain salane se kain fo mr jawan yep on connaît euh, Mukonda Zarmsan parce que l'émission okay. est franco-zarma. Okay. Jawan. Pour que Niger Talato me ame ma bay hankara no go dans ma kanon musico go teta. Jawan. Dès nim tu pe kainu fo matana ge manda. Ne tina china bori mala pa fo china ah. hip hop parlant. Mr Jawan. On va parler bien évidemment euh, de ta musique, de ta carrière solo. Carrière solo, tout en étant au sein de la formation aussi Broke Screw. De ton actif, tu as combien déjà de vidéos disponibles Non, de mon actif, j'ai déjà trois. Trois vidéos disponibles. C'est quoi la première vidéo La première vidéo, c'est Manga Barma. Manga Barma Ça veut dire quoi, Manga Barma Manga Barma, c'est un gars. Euh, où est la monnaie, quoi Ok. C'est un son qui, qui, qui, dénonce. Qui dit un certain nombre de choses. Voilà, un certain nombre de choses. C'est quoi Ça donne quoi, Manga Barma Manga Barma, c'est que je suis en train de demander euh, la monnaie. ala tumai daga nyamai niger ala tala to bore barma kwa Manga Barma, Ningeno Barma, n'y Ouais, a pas de souci, Inch'Allah, Sanda. Ma jeunesse du ghetto sans soudé pour le meilleur et le pire. Haikul, Ils nous ont bloqué nos rues jusqu'à ce que nos tissus, c'est d'aller porter les tenues juste pour être des combattants alors que leurs fils sont assez chaise roulantes. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est Manga Barma. Voilà. Le premier extrait de l'album. De hein. l'album. De C'est quoi donc euh, la suite la suite de l'album. De l'album, la, vidéo. La, la, euh, la, vidéo qui, qui, suit, bien sûr. C'est Give Me Lover. Give Me Lover. ça veut dire quoi, Give Me Lover Give Me Lover. C'est ça ton grand bondi Ah non, non, non. Ah, bah, ah, give me ah, Lover, ah, I know Tu dois avoir un peu le, feeling sur l'émission, c'est important. Pour oh, comme... my baby, oh. Give me lover, baby, let me be your lover, baby, please come over. Haba, baby, sannu da zuwa, in na ganci zan shi daji a raina, jibi kyawun fusarci kamar jiyamon, yin soyayya da ke kamar Da. Yeah, Et yes, le dernier extrait disponible sur les télévisions. C'est Massa Tafondi. Et Assemble, c'est caressé. Yeah, man. Tungini Bondi. Massa pa Tungi Tungini Bondi. Massa pa Rapapapapapapapap. pop inai baganjao. Tundi inai baganjao. Tundi inai baganjao. Tundi baganjihau tungini bondime masata fondi aikan fumbukul nogadoi tungini bondime masata fondi aikan fumbukul nogadoi tunaisu tunde dagoka tunaisu tunde dagoka namade ingoka an kandingu kambona À combat côté artistique parce que un artiste invité, l'artiste ne parle que de ses œuvres. Et il y a toujours quelqu'un derrière, une main invisible qu'on ne voit pas. Et c'est toi cette main invisible. Alors Big Manager, euh, nous sommes donc pratiquement à la fin, euh, n'est-ce pas, de cette euh, émission. On va parler de vos projets. Projets à court, à moyen et long terme. Bon, à long terme. Mm -hmm. de long terme. Long terme, parce que... Parce que notre, vraiment, notre vision, c'est de pouvoir promouvoir la, chanson, la musique nigérienne à travers Jawan à, l'échelle internationale. ok, d'accord. Donc, misali garon Exactement. Exactement. On n'a pas l'idée qu'il quitte le Niger on n'a pas l'idée qu'il quitte le Niger pour être aux États-Unis pour pouvoir promouvoir la musique nigérienne. On voulait qu'il reste ici, mhm. étant donné fils du pays. Nous croyons en lui. Et de promouvoir et de faire en sorte de faire de la musique nigérienne vraiment une musique internationale. Tout simplement. Oh. Vraiment, on a envie. On a vraiment envie. C'est pas un boulot qu'on aimerait faire pour un coup mhm. ou pas seulement pour Garonne. Mhm. On a envie de travailler, on a envie de promouvoir ensemble avec l'artiste, l'ensemble des artistes nigériens, vraiment de faire quelque chose de meilleur et de rendre meilleur la productivité. La productivité, exactement. Il n'y a pas de souci. Manager, sonda sonda, il faut. Sonda sonda. Projet Kangman. Quand gane ay gembe wone wo ay dangay no ja wona maci to on a commencé c'est pas euh, comment comment comment comment je peux je peux m'exprimer sur ce point to dangay jaban sonda sonda projet iphone sonda sonda projet c'est un événement qu'on est en train de faire, okay. pour le 14 février. C'est le 14 février, c'est le jour de Saint-Valentin. Pour les amoureux. Pour les amoureux. Tu vas chanter pour les amoureux Ouais, je vais chanter pour les amoureux, comme j'ai l'habitude de le faire souvent aussi parmi mes différentes sons. Tu veux chanter, tu peux chanter pour les amoureux 14 février, bientôt la fête des amoureux Il n'y a même pas de souci. ok, ça. chantons pour les amoureux. Yes, I. Kene keso soraya kechene murmufinso aminiata keni saba na kese deche adunia chene keso soraya kechene murmufinso aminiata keni saba na kese deche adunia ah. Soraya c'est non Sorry, I said. Mais dans la vraie vie, nous on dit. Dans la vraie vie. oh. Oh. Oh. Est-ce qu'il nous dit la vraie vie Il connaît la suite. ay no rubornere ay ga haga tungir bondi he masa ta fandi misen ga ta fandi nugo ndondi on sin wondi ah gondi wondi matte ni ne wondi ase ah Ah, bon eh. eh. nous sommes pratiquement à la fin de cette émission mesdames et messieurs Eh Jawan regarde la caméra ok tu vois ta caméra je voudrais que tu lances un message à l'endroit des femmes à l'endroit des autorités en charge de la culture, à l'endroit de tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui kiffent cette émission. Regarde la caméra. L'instant est solennel. C'est le message de fin. Vraiment, je veux dire merci à tout le monde. Merci et à tous les fans de la culture nigérienne qui nous soutiennent, de ne, pas cesser à le faire au fait. Mhm. Vraiment, de continuer à nous soutenir parce que nous, les artistes, on est en train de se on est en train de faire un combat pour que la culture nigérienne puisse avancer sur l'échelle internationale. On sait qu'on est fils du pays, on est en train de travailler pour le pays. Donc les fans, tout ce qui nous regarde sur l'émission, je vous appelle à vraiment soutenir la culture nigérienne. Parce que sans vous, nous, on n'est rien. Donc, euh, respect, le ministère qui est en train de suivre nos œuvres, de bien suivre nos œuvres, et de bien faire leur travail parce qu'ils devraient accomplir, leur tâche Nous les artistes, on doit nous soutenir et on doit aller de l'avant parce que avec nous aussi le pays peut aller aussi de l'avant. Donc il faut pas négliger les artistes parce que c'est pas ce que dit toujours de nous. Ils pensent toujours de nous. la musique, on n'est pas ce qu'ils sont en train de penser. on, est, des étudiants, on est des diplômés. Synonyme de délinquance. On est tout. On a tout. On a étudié. accompagner un artiste, c'est accompagner la culture. C'est accompagner Accompagner la culture, mesdames et messieurs, c'est accompagner la nation, entière. Tout entière Le message de Jawan est clair. Donc, il faut mashino akai gane irin duga yi ba kai nufo ga salam bare ga irgo go ko yim ko yim irgo ko ba ba